au fait ce gros débat a commencé sur les réseaux sociaux en début du mois d'avril, donc au début du mois de Ramadan. L'émission Les femmes d'ici de la chaîne ivoirienne NCI en a fait le thème d'un débat télévisé. mutane suna tambaye kansu bisa kan yanar gizo wai dole ne mace ta ini cikin gwadala ko ko ibada ta za ta ba karhi mu kuma anan fada muke tambayar kanmu girki da duka abin da ya shafi aikin gwadala tilas ne ga ɗiya mace ko ko sai in ta sa kanta quelle place occupe la cuisine dans la vie de la jeune fille Nous avons convié des jeunes influenceurs, des jeunes leaders, acteurs culturels. On les attend encore, ils ne sont pas encore là. Pour continuer ce débat au siège du studio Kalangu, Anna Ngor Kwarakano, nous sommes avec euh, Kadidiatu Idiani. Kadidiatou, ça va Oui, ça va. Yaki bon. ke da dama? Oui, da dama. To daga cikin ƴan matan mu gaita da yanzu ke kadai kenan. Kuma dole mu fara da ke. Lokaci na ta tahiya. Muna tare da Tarai Ya kake? da dama mun gode Allah sa ba alhamdulillah muna tare da Idris Sakarmando uh, da zanu Har wannan shirin in yaso wa'anda za su zuwa su tarda mu su kuma mu ci gaba da su to kamar a lokacin fada ana yin ta ne da yan kada kadan mu da rubrikin da don da yake shirya mana a kowane sati kuma da kronikin da Olivier zai zo mana da ita so sai parti ga wata bakwata mu ta iso yanzu uh, Rahina Ruwafi la cuisine et toutes les corvées qui gravitent autour c'est l'affaire des femmes D'ailleurs, plusieurs études ont montré que les tâches ménagères sont l'une des causes de la non-scolarisation de la jeune fille, en milieu rural surtout. Euh, dites-nous en plus sur ce cliché pourquoi et à quel moment la fille se retrouve en contact avec la cuisine Et comment ça se passe pour les garçons Merci. Mhm. Directement, ce qu'il faut euh, faudrait retenir par rapport à ça, c'est d'abord culturel. Ok. C'est tout simplement culturel. Parce qu'on a, euh, on a été éduqué, euh, quand on est venu pour la femme, il faut la préparer pour le foyer. Parce que c'est décidé, nous sommes dans une société, c'est vrai, c'est quelque chose qui est là, c'est une société patriarcale. Ça, c'est clair. On est dedans, bien qu'il y a des exceptions à des niveaux. Et du coup, pour la femme, elle n'a pas d'autre euh, ambition dans la vie que de se préparer. On limite la réussite pour une femme au foyer. Il faut la préparer, c'est à elle de cuisiner. C'est le foyer. C'est dans ça qu'on, euh, c'est dans cette société que nous vivons. C'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre et pendant longtemps dans notre éducation, c'est ce qu'on nous a expliqué. Donc du coup, pour préparer la femme au foyer, faudrait dès au bas âge qu'elle commence à cuisiner. c'est autour de quel âge, Il n'y a vraiment pas d'âge. Hein? Dès le bas âge, on t'éduque dedans au moment où tu es en mesure de faire quelque chose déjà, on te met dans la cuisine, tâche ménagère, tout, tout. c'est toi qui le fais. <laughs> wow. Bien que maintenant, voilà, on verra avec la suite ce qui ça va donner. Rahila ko kina aiko tanta mini ke a wani lokaci ne aka fara saki cikin harkan aikin gwadala kina tuni? <laughs> Eh to ina tuni a gaskiya ni na fara aikin gwadala ne tun ina masu yin. E okay. Tun da na tashi fami in mugere 'yan benin ne kenan a harkar gwarawa in nan. Eh. tun yaro na karami ake koya mishi tun ina so in ake sani tuka tuwo in nan ana zuba gari ana ca in juya shi <laughs> kuma wani ne koya miki c'est <laughs> in tante c'est notre tante Se elle qui s'occupe de la cuisine à la maison tun da lokacin nan tsohuwa tana tafiya wurin aiki hakan ga eh to mm. yanzu in mun sabko daga ecole da marece sai ta ce to in ana tana dori ta ce in zo in rike abun ga muciyan nan eh. tana zuba gari ta ce in tukawa kuma est-ce que c'était quelque chose que tu aimais faire ou pas a gaskiya lokacin ne ni ban ma son aikin wasa dai ne a hankalin <laughs> wasa dai ne wasa ya hi ɗauka hankali na <laughs> <laughs> là les filles euh, on a une petite idée de les filles comment ça s'est passé pour pour elles tu peux me dire euh, toi comment ça s'est passé pour toi est-ce que au même titre que ses filles, tu as été en contact avec euh, les tâches liées à la cuisine ou pas je, je crois que mon cas c'est un cas particulier. Mm. Na tashi ne ni a gidan da kaman aikin gida ba na mace bane ko ba na namiji bane. Okay. Ni inda gidanmu lokacin da muna yara ni da kanwata tare muke wanke-wanke na kwanoni tare muke shara. Sosai na shiga gwadala. Parce wani bi za a iya tara kada sai a ce kai za ka yi zazahi. Ka hura wuta ka yi zazahi na kowa da kowa. c'est vraiment, c'est selon des ethnies ou des zones. Hein. C'est des zones ou des ethnies. Ça, ça, ça, ça, dépend des règles de la maison, c'est tout. Ok, donc ça dépend des règles de la maison. Ça dépend des règles de la maison. Et toi, comment ça s'est passé pour toi, Idrissa Tu as été en contact avec euh, les tâches euh, ménagères comme tes soeurs ou pas Moi, contrairement à, mon grand frère, je n'ai pas été en contact, euh, mais avec les amis, dans la famille, non. Mais hmm. avec les amis, les nuits, on s'invitait, on cotisait pour préparer de ce qu'on appelle le niabé. Le, on préparait ah, ça. Et moi, quand je prépare, les gens vont se demander si c'est une fille ou bien c'est un garçon. Ah, ça c'est une question de survie. <laughs> C'est aussi ça la, grosse question, donc je pense que c'est normal. <laughs> Personnellement, remontons un peu le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou c'est quelque chose que tu as été obligé de faire pour commencer, euh, c'était un peu comme euh, sans à elle. Ok. Depuis toute petite, souvent, euh, il y a des moments, à partir du de CM1, je me rappelle bien, souvent c'est à la descente de l'école, on va te dire, bon, il faut faire la cuisine et après il faut étudier. À ce moment-là, je le faisais parce que je suis obligée, je ne peux pas dire non. La maman, j'étais vraiment obligée de faire la cuisine. Et avec le temps, c'est quelque chose qui me plaît. Ok. J'adore faire la cuisine. Aimer... J'adore faire la cuisine. J'aime faire la cuisine. Donc si je comprends, généralement, euh, tu me dis un peu ici comment ça se passe chez nous. Hum, les garçons, comme toi, il n'y en a pas beaucoup, hein. Euh, leur lien avec la cuisine, c'est plus manger ou euh, ça arrive euh, que des garçons ils soient impliqués dans les tâches de la cuisine, tout ça là. Qu'est-ce qu'on va dire généralement <laughs> Eh, bon à la limite qu'on les envoie au marché pour faire des popotes ça tout le monde l'a fait même les garçons on t'envoie on te dit voilà on les condiments tout ça ça aussi c'est une participation à la cuisine moi j'étais j'étais comment on appelle ça le gars qui faisait la popote à la maison si je suis là c'est moi qui pars au marché ça c'est clair ah ok, d'office c'est toi D'office c'est moi. Si je suis Acheter le les condiments, c'est toi d'office. Ça c'est moi. Ok. Ça, c'est moi. Kaimi a tout ça, là, c'est. Tu, tu ne peux pas, le choix. Tu peux gronder. des fois, des fois, tu dis non, il y a les filles. Tu as des frères aussi Oui, oui, j'ai des frères. Est-ce que tes frères. Euh, ont été impliqués comme Tarei. Oui, effectivement, eux aussi, c'est comme ça. Des fois, de ina tashi école dole ne sai wani yayi shara wani yayi Sannan shiga Ah, sou. il ma suna shiga mun école shiga a d'accord mais là quand on quand on vous entend parler on sent qu'il y a un certain équilibre à trouver entre les tâches euh, ménagères ou les tâches liées à la cuisine et les études. Mm. Comment ça se passait à ce niveau Raïla, est-ce que vous arrivez à trouver cet équilibre quand même est-ce que vous sentez qu'il fallait faire autant de tâches ou le temps accordé aux tâches ménagères par rapport au temps accordé aux études Comment ça se passait à ce niveau eh haka nan ça va. to lokacin raba shi dai ne ake yi hmm. yanzu gida ilfoki a ce wanga lokaci aiki za ka yi dodi za ka yi wanke-wanke za yi kaza za yi kana to i da wannan kuma to da ko baka ida ba in in karatu yayi ana cewa ka tsaida ka je ka karatu in ka je ka dauka lesson in eh hmm. haka nan ne C'était pareil Oui, moi personnellement, les temps de compo, dès quand j'ai quelque chose, je viens, je dis demain on a des devoir, on a interrogation, je ne fais rien. <laughs> tu t'enfermes dans la chambre depuis Je ne fais rien, il faut aller étudier. Sinon, pour tout le reste du temps, quand, on revient de l'école, ce n'est pas directement qu'on va prendre les cahiers, justement. C'est pour ça que les parents aussi profitent. Il faudrait manger avant de pouvoir étudier. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, pour manger, là, il faut venir. Tu vas cuisiner, tu vas faire les tâches ménagères et tout. Quand tu finis, il faut aller, tu étudies. Après, tu peux dormir. Tu fais tout ce que tu as, euh, question études et tout ça. Cet équilibre-là, les mamans, oui. Tu sentais que, quand même que les études, c'était vraiment la priorité. C'était la priorité, mais voilà, à la maison, il faudrait travailler. Il faudrait euh, mettre la main à la pâte. Exact. <laughs> ok, d'accord. Ben là, on a bien planté le décor. On va aller euh, en rubrique avec la rubrique de Miss Rondi. Mais on se reprend juste après sur ce débat. <laughs> Aujourd'hui, le premier angle va s'intéresser au dandalisme au management, à l'écriture, plus que l'homme que nous allons recevoir dans un instant sur cette émission touche un peu à tout. Nafiu, dont dit la machine, te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Wanda na barin sama kaji ko kana yi ka ga mun wane ne nafiu muhara da wannan nafiu salisu shine cikakken sunana to inkiyata ko kuma non shine estita ni ɗan asalin garin maraɗi ne wanda kuma yanayin karatu ya kawo ni zama a nan birnin yamai da kuma harkokin da suke da alaka da gidan jarida da sauransu mm-hmm. to kuma sai allah ya haɗa da sauran mutane waɗanda suke gudanar da tsari kamar yadda na somo da harkokin dandali a baya tun can mm-hmm. sai kuma muka ci gaba da gudanar da harkoki har aka zo yau na kai wani matakin da nake rike da matsayin secretary general na wata association ta masu harkar dandali mai suna bark niger mm-hmm. sai kuma e, nake matsayin sakataren yada labarai mataimaki a bangaren kungiyar mawaka baki daya na kasa wato anasim anasim wannan shine bien ina rubuta labari eh. yanzu haka akwai wani siri da nake ke rubuta ni nake rubutun shi sannan kuma ina yin jarumi kamar in an ɗauka bangaren film akalla na hito cikin film ya kai talatin wanda an gani film kin dandali tsoyayya da na dandali da wanda ba na dandali ba tunda kaman in an ɗauka misali akwai film ɗin da ya yi suna da yawa nan irin delu na alternative espace bien sûr delu akalla na yi kaman sen goma sha biyar ciki akwai eh, da nake ciki sen ah, da sha ma ciki nake ciki wanda ta ne a wanda na rubuta shi kuma wannan daban ne wanda shine muke cikin gudanarwa yanzu haka mai suna gaisha wanda da yawa daga mutane sun ga poster shi sun ga yanayin aikin shi kuma mun je wurare da yawa mun yi dauka wanda akalla yanzu muna da sen ya kai 45 wanda an riga an yi a rijistiran shi kenan za mu ci gaba da aiki har kai matakin da za mu yi montage din shi kuma a fara ganin shi kamar yadda ake ganin wasu fina-finai na waje to wannan duk abubu da ka gayi na kuna samo wani abubuwa cici ko koyi da kuce eh tunda abubuwan suna da yawa eh. dole wasu suna taimaka ma wasu wasu kuma ga sunan wasu kuma ana ganin ai ka san abin da na yarda da shi kamar yadda kowa ya sani mm. in har kana so ka ci amfanin gona mm. to tun kafin lokacin damuna yayi ka je kai wani abu da ake ce ma huda eh, ka yayyanke ka dan sassanya eh. in lokaci yayi ka zo ka sanya shibka mm. ruwa ka kula ka nome ka cire duk wani hakin da zai iya bata matsala a kusa da ita bai baka wahala ba kai sai kawai ka ce so kake ka samu to shi yasa can da muna yi kowa na yi daban-daban gefe-gefe to yanzu sai muke ganin wani dama ne tunda mun fara tunanin yin association group man waye da sauransu to sai mu zo mu haɗa kai wuri guda mu yi ayyuka <laughs> mun kai karsan shirin angle na wari wani irin wasika ne wasika zuwa ga matasa zuwa ga otorite zuwa ga wanda suke sauraronmu da wanda suke kallonmu biska city studio masu kallonmu da farko da ka zo da su matakin karshe ni kira na gare su shine ina so duk lokacin da suka ga mun yi wani abu wanda ko ya saba ko kuma ya yi kyau su kira mu su yi mana magana saboda in ya zama kana ta aiki cikin duhu baka san me kake ba baka iya gane daidai kake ko kuma kuskure kake yi wasu ba su da lambobin wayan mu amma suna tare da kuku masu mu'amala da kafafen sadarwa ku mm-hmm. kuma kuna da alaka da mu kenan za su iya gaya min ku kuma ku sanar mana kuma mu gane cikin sauki ba tare da wahala ba mm. daga bangaren matasa ni kullun kira na shine kar mutum yayi kwance ya zamna wai shi sai an bashi kuɗi sannan yayi abin da zai kawo mai ci gaba an sifar dan jarida <laughs> mawaka manaja l'écrivain Nafiouf. Nous sommes donc à la fin. On revient à la FADA aujourd'hui installé au siège même du studio Kalangou. Nous sommes avec euh, nos jeunes euh, influenceurs et euh, on attend encore d'autres invités, mais on est bien entouré déjà. gens. Hein. Donc, nous sommes avec Tare Douda. Lui, il est activiste. Voilà. Nous sommes avec Kadiach Idani. Elle est les jeunes filles leaders. Nous sommes avec euh, Rayla Tourouafi, euh, nous sommes avec Idrissa qui nous accompagne aujourd'hui, il est étudiant. Voilà, étudiant et activiste du CCNEJ. Voilà, voilà le cadre consultatif nigérien euh, des enfants et des jeunes. Merci d'être là avec nous. Nous allons continuer avec Basakan Yanar Gizo. Ana Tcheche Kuche, Basakan Yonin Aikin Guadala. Daira Taya, Akan Biyamata. Har ma yake hana su ibadar su a wannan watan na azumi. Un débat qui revient aussi sur l'appui que l'homme doit apporter dans l'exécution de cette tâche. D'abord, que les femmes elles sont surchargées dans mois de Ramadan. Ça, ça fait le tour des réseaux sociaux. Et en plus, elles ont besoin que les hommes les aident, les appuient dans ces tâches. Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton avis, toi Oui, je sais que personne ici ne peut dire le contraire. Uh-huh. que nos grandes sœurs, nos mères sont actuellement débordées euh, dans ce mois béni de Ramadan parce qu'elles sont euh, toujours en contact, euh, comme on appelle, des activités ménagères. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, si elles sont débordées, si c'est un problème, ou je ne sais pas comment qualifier cela. Parce que cuisinier, ou bien faire les travaux ménagères. Est-ce je, vais, je vais essayer. <laughs> C'est d'abord un choix. je ne vais, pas aller dans votre chance, euh, sens. <laughs> c'est un choix et c'est une obligation. C'est un choix quand on décide de se mettre, euh, d'être la femme de quelqu'un. C'est un choix d'être la femme de quelqu'un. Et quand on est la femme de quelqu'un, ça devient une obligation de s'occuper des travaux ménagères. Donc moi, je pense que cela ne doit pas être l'objet d'un débat pour dire que non, non, nous, on ne veut pas vraiment <laughs> cuisiner. Non, non, non, non. On ne peut pas grandir à la maison. On voit la maman en train de préparer pour la... Et revenir quand on est au euh. sein de sa propre famille et essayer d'influencer peut-être sa petite fille d'une manière négative. Moi, je pense vraiment que donc, nos grandes parce que se <laughs> nos mamans ne se posent plus cette question. <laughs> c'est nos grandes sœurs, nos petites sœurs qui sont là aujourd'hui et qui veulent influencer leurs enfants qui vont venir bientôt. Donc je pense que vraiment, elles nous ont inculqué des valeurs sociales que vous, vous devez aussi inculquer à votre, en retour à vos enfants. Marie, c'est réveiller, préparer pour son mari, pour ses enfants. Réveiller pour dire non, c'est un choix. Quel choix Si tu ne prépares pas tout pour ton mari, pour qui tu vas préparer j'ai la parole as la parole, Marie. Non, c'est pas, je donne mon avis. Uh-huh. Déjà, il faudrait qu'on arrête de vouloir coûte que coûte, demander à nous aujourd'hui de faire comme nos mamans. Nous n'avons pas des hommes comme nos papas. Je suis désolée. mais Le temps, notre génération et avec la génération passée. On n'a pas Aujourd'hui, moi, je suis, je sais pertinemment que je n'aurai pas un mari comme mon père. Pourquoi je vais être comme ma mère Ma mère, elle avait ses ambitions. Elle a vécu sa vie. Elle a reçu une éducation qu'elle nous a transmise. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'elle m'a transmise comme éducation et comme valeur. Mais j'ai aussi mes propres ambitions qui prend en compte l'environnement dans lequel je vis, les réalités que je vis, le monde que j'affronte chaque jour. Ce n'est pas le même monde que ma mère a affronté et que nos mamans ont affronté. Vous, aujourd'hui, là, vous n'êtes pas comme vos pères. Vous n'êtes pas comme nos papas. Je suis désolée, même 50%. Nos papas respectaient nos mamans. Il y avait un minimum. Dans le foyer, c'était les deux. Aujourd'hui, c'est culturel. Ah, Rien n'oblige. la femme à cuisiner. Le débat, ils l'ont ramené sur la culture parce qu'ils ne peuvent pas se baser sur la religion. Si le prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, aider ses femmes dans les tâches ménagères, toi, homme, aujourd'hui, tu es qui pour dire que c'est à la femme de le faire et que c'est une obligation. On n'est pas, des prophètes, laisse ça. Non, justement, c'est pour ça, justement. et lui, et lui c'est l'exemple parfait de l'homme. Quand on est croyant, c'est l'exemple, c'est la sunna. Cuisiner, c'est pas une obligation. La femme qui cuisine à la maison, qui trouve du plaisir à le faire, qui a le temps de le faire, c'est très bien. Celle qui manque de temps et qui trouve d'autres alternatives dans son foyer pour qu'elle puissent se nourrir, pour bien vivre dans leur épanouissement. Mais c'est quoi le problème Elle n'est pas une mauvaise femme. Je suis désolée. Il n'y a pas un modèle à arrêter pour dire que, quel plaisir, je suis d'accord. Est-ce que vous imaginez le plaisir de manger un repas que son mari a cuisiné ça fait autant plaisir que. arrêter de rêver. Non, c'est pas un rêve. Moi, ce que je veux dire par rapport à cette confusion, si tu veux, moi, je, qualifie ça même de dépravation des mœurs. Moi, je vais me marier très bientôt. Et dans le compromis qu'on a eu avec ma fiancée, la cuisine, c'est pour toi. Si tu sais que tu ne peux pas faire la cuisine... <laughs> qui Moi, c'est... C'est eh. Eh. C'est pas un modèle pour tout le monde. qui est cela ne veut pas dire qu'il ni ne Eh, tana kai ma kai. Ai da wannan koyon da kai na je Ni koyon kai da Ni 2007 da pas ni ne da pas. Je To yanzu pas. in kika gidana mon gaz tout, je fait la cuisine pour moi-même. Je mange. C'est-à-dire la responsabilité primaire de la cuisine c'est la femme. Ça c'est pour elle. Da hoto Je ne peux pas moi non, ça, je te dis moi chez moi c'est moi je te parle de mon foyer. Eh. Parce que je suis le maître de mon foyer. Et c'est un compromis. Je ne lui ai pas imposé ça. Est-ce que tu veux Est-ce que tu peux Oui, elle peut et tu vas le faire. Si elle ne peut pas, attends, je, je, je, prends une autre avec qui on va se comprendre. La bouffe, c'est pour elle. Rabi, pas. Attendez. un choix. <laughs> Il veut la femme qui cuisine. il cherche la femme qui va cuisiner pour elle. Moi, je suis. moi, Moi, je suis. Le mariage ne se résume pas à cuisiner. Moi, je suis issu d'une société canonique. C'est pas ça le mariage. Chez moi, tu ne peux pas dire à un homme d'aller à la cuisine. C'est de la femme. Et puis, elle est fière. Et puis, elle fait tout pour bien le faire. Parce qu'il y a la concurrence qui est là. Mais maintenant, on est arrivé dans un monde où, oui, c'est les filles qui disent Ah non, non, je sais pas, pour une soif d'égalité ou d'équité je ne sais pas, où de ressembler à l'homme. Elle veut que l'homme fasse ce qu'elle fait. Non, en fait, de la de quoi de de <laughs> personne ne fait comme l'autre. Eh, essayons de trouver le compromis pour lui. Beaucoup de, beaucoup, beaucoup de femmes. Eh vont perdre leur foyer ou bien n'aurons pas de foyer à cause de ce problème parce que l'homme est autoritaire, naturellement, je te dis. ça, c'est ce que hein? la culture nous a enseigné. La femme gida haka nan ka gani kai ma shi nan yanzu wanda aka kusan sannan mace ne tana yi bo amma tana so a kama mata ka a sakan mata raga ma komiya a tilastar da mata ala tilas wannan sai ke yi shi wanga sai ke yi shi zowa ne za a yi a kwatanta ma juna yanzu ka zo gwadala kuna iya hira kana hira kana tanyanta gyaran wasu 'yan kamiya ita kuma tana dorawa ko sadovin romantika ha kuna yi kuna hira sai a yi da abincin ba a ma san ko an yi ba wani arrive lau jata romantique. <laughs> Je vais commencer par dire. Comme tu attends la, partie là, mets bien le micro, on va rien C'est un plaisir pour l'homme de cuisiner et non pour la femme. Ça ne peut pas être un plaisir pour la femme de cuisiner. Comment ça Comment donc c'est une obligation pour eh, la femme. C'est une obligation, pour la femme. C'est un plaisir pour Excusez-moi. C'est une obligation. Non, non, c'est pas une obligation. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ah Laissez-moi parler. Est-ce que vous savez que c'est un petit nombre qui revendique ces droits-là C'est un groupuscule, faut dire. C'est un groupuscule. combien personnes Et donc, nos mamans qui sont dans les zones rurales sont en train de nous écouter. Et vous êtes là en train d'influencer c'est pauvre de manière négative. Non, je suis vous toi aussi. si aujourd'hui, si aujourd'hui vous, vous êtes, en ville. <laughs> Vous êtes en en vous êtes En ville. Peut-être elle, est comptable. Peut-être tu es enseignante et tu vas dire que tu vas parler au nom de toutes les femmes. Je suis désolée les droits des femmes qu'il faut revendiquer. Moi, je pense que ça ne fait pas partie de ce qu'il faut revendiquer pour les femmes. Si euh, comment, ça ne fait pas partie. une Ça ne fait pas partie de ce qu'il faut obligation. revendiquer pour les femmes. Non, une, minute. Uh-huh. C'est-à-dire, j'ai oublié de dire quelque chose. Eh. si par exemple, moi je travaille et que ma femme travaille, on passe toute la journée au boulot. Ah, hein. On descend à la même heure à 18h. Là, là, et moi d'office chez moi, il y aura pas on ne va pas prendre quelqu'un pour faire la cuisine pour nous. Ça, c'est que Moi, je ne vais pas manger la cuisine. Pendant que je suis marié, manger la cuisine de notre femme, ça, ça je ne le ferai pas. Donc, d'office, il y aura cuisine le soir. Là, je serai obligé, même moralement, je ne peux pas la laisser seule aller dans la cuisine. Ça, je peux aller l'aider. Je sais qu'on a travaillé tous, toute la journée. On, a, on est presque tous fatigués. Là, je peux l'aider. Eh, ça, ça, je peux le faire. Parce que je sais qu'elle est fatiguée. Mais si elle ne fait rien, si elle ne fait rien, elle est à la maison, elle chante. Je ne peux pas sortir de la, de la maison à 7h, revenir à 18h et la trouver dans la cuisine a gida ma wacce muka aiki a gida aiki aiki elle va aller où ça c'est tous nos mamans. elle prend des femmes qui font elle ne faut rien si elle travaille pas elle ce qu'elle va faire c'est débat là on est juste en train de faire des, euh, procès d'intention parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir des femmes s'exprimer à prendre position, à comprendre qu'elles ont également les mêmes droits, tout ce que la religion n'oblige pas une personne à faire. Tout ce qui est obligatoire dans la vie de l'être humain, là, il y a ça dans le Coran. Quand tu es, ah, j'arrive, pas me laisser finir. Quand tu es croyant, il n'y a pas la sunna, façon autant des prophètes, ils ont vécu, il y a tout comme exemple. La religion nous a tout prévu. Mais comme personne, les hommes ne font pas ce que la religion recommande, la femme ne le font pas. Donc maintenant, chacun va essayer de trouver l'équilibre dans lequel nous, on va vivre en fonction de la personne. En tout cas, ma femme va train... ça c'est... Comment on est question qui contente C'est que, il y a un matin, il y a un matin, suma sun gane que suna da abin da su bada ma al'umma suna da ilimi suna da suna da aiki suna da aiki elles ont le droit d'avoir des ambitions tout à fait suna da suna da possibilité kin su ma al'umma abu da a wannan ne kike so yanzu ça chauffe là. Vraiment, c'est en train de chauffer. <laughs> on va aller en musique. Vous allez me proposer une musique pour atténuer euh, <laughs> toute cette tension-là, <laughs> cette électricité dans l'air. on met quoi comme musique avant de clore ce débat moi, j'aime, je sais pas. Il faut mettre al la L'attention sur l'unité nationale. Bon, ok, on a trouvé un compromis. On va mettre Mata le Souga pour encourager toutes ces mamans, toutes ces grandes soeurs, toutes ces mamies qui sont à la cuisine, qui sont en train de préparer les bons plats qu'on va manger ce soir. J'avais compris, euh, le débat de ce soir sur cette fada, c'est la place de la cuisine dans l'éducation de la jeune fille. On a bien planté le décor et euh, selon certains, la femme, elle doit, elle est obligée de cuisiner. De, c'est son territoire, la cuisine, c'est son territoire. Mais les filles qui sont avec nous aujourd'hui, pour elles, c'est censé être une option. C'est censé être, c'est quelque chose, c'est une tâche qu'on doit faire avec plaisir ou même avec passion, pas une tâche qu'on est forcé de faire parce qu'on a cette condition, parce qu'on est femme. Voilà. Donc, on va aller directement à la dernière question de cette émission. Ce cliché qui renvoie votre place à la cuisine et aux tâches ménagères. gaskiya ban so in ji ana haka nan a ce mata wurin su gwadala ne mace ba gwadala ɗaya ne wurinta ba tana iya yin gwadala tana aikin gwadala kuma tana yin wanda ba gwadalan ba duk aikin da namiji ga iya yi yawanci dai ka turo san in dai shi ma tana iya yin shi eh sai ta je wajen aiki ta dawo ta in wurin aiki kuma ta zo ta shiga gwadala kuma ta yi abinci kuma ta kula da yaran cikin gida mi suka ci suka ini yaya sun yi wanka tsaftar su ha yanda suka ini jikinsu lahiyarsu wannan duka mace ce ke kula da shi hmm? kenan tana abu mai mahimmanci babba kuma wallai tana babban kokarinta yawanci ma kai gida mace ce zance ce don ita a tare da yara ta kula da su kuma ta kula da miji sannan da abincin da za su ci kuma in tana aiki kuma ta tai wurin aiki wannan ba tashi karami ba ne na mace. Oui. Kadiyatu. <laughs> C'est que je. Ce cliché. Dire, dire que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est non seulement rabaissant, Mais je trouve ça en même temps insultant pour la femme. La place de la femme, c'est pas la cuisine. La place de la femme, c'est partout où elle se sent épanouie. La place de la femme, c'est partout où il faudrait amener sa contribution pour le développement, que ça soit de la société, que ça soit de sa famille, que ça soit de son entourage. Réduire la femme à la cuisine, moi, je, en tant que femme, je, je sais que ma place n'est pas à la cuisine. je me vois partout. Pas qu'à la cuisine, la femme est partout. Oui, oui. Avant de se dire officiellement au revoir sur cette émission, on va accueillir Olivier qui nous vient avec sa chronique. Amis de la FADA, ce soir nous allons parler de créativité et d'innovation. Dans la société africaine, la créativité a une place de choix. Et ce, depuis des années déjà. L'histoire antique de l'Afrique confirme fortement la thèse selon laquelle le génie africain a eu de beaux jours. Que ce soit l'invention de l'écriture en référence aux hiéroglyphes ou encore les pyramides d'Égypte, une chose est sûre et certaine, l'Afrique est un continent d'innovation et de créativité. Mais, à bien observer l'actualité en faisant un tour dans un passé récent, le continent africain a perdu sa place de continent novateur et innovant. Depuis la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, aucune innovation majeure n'a pu se développer sur le continent voitures, avions, pompes électriques, ordinateurs, armes à feu, etc. Presque tout est partagé entre les continents européens, américains et récemment asiatiques. Nous, Africains, tenons farouchement la place du consommateur fidèle. Alors, amis jeunes, dans la chronique de ce soir, j'aimerais quand même attirer l'attention des uns et des autres sur leur responsabilité à créer et innover. Oui, la création et l'innovation sont des moteurs de création de richesse. D'abord, le monde d'aujourd'hui se nourrit de créativité et d'innovation. Les entreprises d'aujourd'hui sont basées sur les esprits créatifs et innovants. Ensuite, la créativité et l'innovation sont à la base des grandes révolutions. Et l'Afrique d'aujourd'hui, comment innove-t-elle Sommes-nous toujours créatifs et innovants Avons-nous déjà compris que les innovations et les créations originales sont des initiatives de citoyennes et citoyens Comment l'Afrique accompagne-t-elle les idées créatrices et les innovations de ces jeunes Ou encore, comment se porte l'innovation à l'africaine Tellement, tellement de questions que je nous pose dans la chronique de ce soir. Mais malheureusement, nous n'avons que quelques minutes pour cela. Rendez-vous demain à la FADA pour une nouvelle chronique dans laquelle nous allons parler de la place de l'État dans l'accompagnement de la créativité et l'innovation. D'ici là, portez-vous bien, gardez l'esprit ouvert, soyez déterminés à créer, à innover. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. À demain. Merci bien Olivier. C'est la fin de cette émission en français où ça. Nous étions avec nos jeunes influenceurs qui continuent encore le débat de l'autre côté.

uwayensu suka koya musu uwayensu mata sun koya musu girki kenan su ci gaba da yin wannan girkin kai here mu ci a huta lafiya